tous à la Fada, bienvenue dans votre émission hebdomadaire spéciale jeune. Aujourd'hui, nous sommes au stade général Ténikunté et juste en face, on a notre champion national. Elle est deuxième mondiale, première Afrique. Il y a Amina qui va passer tout de suite Ah oui On Oh là là là là, On a notre champion national qui va passer dans quelques instants là. Elle va passer, on attend sa médaille d'or, hein. on l'encourage, surtout à la Fada. C'est elle qui est en orange là-bas au, départ. En orange, c'est Amina qui va nous prendre la médaille tout de suite. C'est la demi-finale. On hein. compte sur elle. <laughs> Il y a champion national qui a pris le devant, vraiment. Super, on est fiers d'elle. Ben voilà, retour dans Tous à la Fada. Aujourd'hui, notre aventure nous conduit dans l'univers du sport. Vous l'entendez, on est au stade général Saint-Nicontier, Mieux encore, juste en face, les athlètes de 15 pays de l'Afrique de l'Ouest s'affrontent on ne peut pas arriver mieux comme cadre pour parler de sport, quoi. Genre, euh, vraiment, c'est le top qu'on a eu aujourd'hui. <laughs> Nous allons parler avec nos Miss Sport. Donc, aujourd'hui, ce sont les filles qui sont les maîtresses de bord. abun da maman qui da ban sha'awa in kun ga wannan 'yan matan namu suna gudu suna kwallo a can gaba zan tambaye ku ina ne kuke samu wannan kuzarin da wannan karhin da kuke yi tunda mu aita ya kaɗan ma muka yi kawai kamar telam ta taka <laughs> ka ko an bibige maka shiki donc Tarada Moumouna Balkissa, Mahamadou, elle est euh, athlète, elle a participé aux Jeux paralympiques euh, de Rio en 2016, elle a représenté le Niger. Ça va, Miss Ça va. Ça va, championne <laughs> Super. Donc, euh, nous avons Amsa Amadou Anarwa. Troisième dans Taekwondo, elle est comptable, gère également une association et organise bientôt une compétition. Exactement, bonjour à tous. Euh, donc comme elle l'a dit, c'est Amsa Adamou Anarwa et non pas Amadou. Adamou, oui, Adamou. que j'ai noté. <laughs> <laughs> voilà. Euh, du 3 au 4 août, on organise une compétition, la quatrième édition du tournoi qu'on organise les Étoiles du Sahel pour la jeunesse nigérienne et en particulier pour les femmes pour faire la promotion du sport féminin. Super Avec nous, nous avons notre troisième championne, marianne à Mamoudi, une de nos championnes qui évolue au Centre de développement d'athlétisme de Lomé. Tu as été trois fois médaillée d'argent et deux fois médaillée de bronze. Championne, ça va Oui, ça va. <laughs> C'est vraiment notre Miss Athlétisme. Hein? je suis spécialiste des 400 et les 200. Super. Sois la bienvenue sur tout ça, la Fada. <laughs> J'économise l'énergie pour demain. <laughs> C'est vrai, hein. Demain, ce sera elle, hein. Ce sera elle qui va représenter le Niger. on continue sur aussi, ah, hein. ben, on va parler de votre passion, de votre motivation, de vos ambitions. Bref, on veut tout savoir sur vous. Tout ça, la fada, c'est aussi de la musique, des questions d'auditeurs, des réactions. Olivier, notre chroniqueur, nous dira tous les bons plans de la semaine avant de nous quitter. Donc, Olivier, à tout de suite. da da

to to kun shi kuma ita bilkisa ita kuma lansai da kuwa take ina irin wannan ƙanahunan na masu yau ne shi ta iya wannan irin wannan makama ya dagawa ita to in ta same shi sai ta tulla shi nesa kai kuma ba kama iya daga shi to kun ga ƴan matan ke tare da mu gaskiya ba abun wasa bane donc un de nos auditeurs a une question pour vous on écoute Nasser Namata qu'est-ce qui les a poussés à embrasser le sport et particulièrement ce sport qu'ils sont en train de faire. Si c'est un taekwondo, c'est qu'est-ce qui les a poussés à le faire. Mariama voilà. <clears throat> Bon, quant à moi, quand j'ai commencé l'athlétisme, je ne sais même pas c'est quoi même. Donc moi, euh, c'est mon enseignant qui m'encadre qui, qui, à, l'école, qui me fait le sport. Donc c'est celui qui il a vu que vraiment j'ai des talents, que je peux faire quelque chose. Mais pour moi, juste, c'est DJ. Mais c'est après, après avoir fait la formation de l'INGS. À ce moment-là, je me suis rendu compte que vraiment, je peux faire quelque chose dans le sport. Pourquoi je, je, peux, même aller jusqu'au haut niveau, voilà. Donc, je me suis rendu compte que ce n'est pas dj quoi, c'est autre chose, voilà. Vraiment, que tu peux faire carrière et vraiment, tu en as profité. Et <laughs> tu es sur la bonne voie. Ça se voit que tu es sur la bonne voie. Donc, qui c'est comment mener les sacs aka kika shiga wannan dauke dauken abubuwa masu yauni <laughs> ni wallahi abin da ya sani yana birge ni ne ina abin ga ina diba suna birge sai wata rana ko nake bari in zuwa istad sai ina yi internama ina yi internama sai ya kai lokaci in muna yi internama ma ina gwada mu waɗansu internama da muke yi haka muna yi internama sai an tashi balaguro sai muna balaguro mutum yi javelo mu yi ko nan Niger ma in muna yi abin ga handa bai gudu haka ni ne nake toho premi kullum ina toho premi ah. in ana abin ga gudu hakan ga bisa handa bai ina hmm. sai in toho premi ana bani abin ga kuf da agre ne su wuce ma biyar da an ka ba nan ya mai ah, sai haka nan mun ka yi sai da an ka sai da na riyo hmm. na yi bidan mai dayi amma ban samu sauran min kadan da an ka oh. gani ban samu ba an ka yi mini kado cinan nan a fare inan da an ka sa mini an ka ce ka yi oh. asala fare kin ga ah oui c'est bien c'est bien quand même c'est bien yanzu kenan wannan fare kin sa te permet kina tahiyan ki an ki gana ma ina tahiya san beki super da kasa ne ta tahiya amma yanzu da ana samu a fare inan san tahiya ina yi to yanzu amsa ke muna so mu sani ke kawai haka nan <laughs> kika tashi kike kike yaman kakkallawa mutane kasusuwa ah. genre dans tout ce qu'il y a t'es comptable et puis tu veux ah. casser eh. les os des gens pourquoi même t'as choisi pourquoi, tu t'es lancé oui, dedans oui le taekwondo c'est une histoire de famille en fait j'ai commencé vraiment très tôt avec euh, mon frère euh, Moussa Adamou. Et euh, après, c'est devenu une histoire de famille. Là, quasiment tout le monde le fait, y compris mon neveu de 3 ans qui a ceinture bleue de taekwondo. Ah Donc... <laughs> Chez toi, ça rigole pas là Non, ça rigole pas, ça rigole pas. <laughs> Bah, Mais c'est vraiment, oui, mon père, il était passionné et comme il n'avait pas eu cette opportunité de pouvoir pratiquer ce sport, il le vivait à travers nous. Donc, euh, euh, il nous a mis dans ce, dans ce sport-là. Et euh, moi, particulièrement, particulièrement c'est qui m'a poussé à vraiment. c'est qu'il a poussé, même mon père, à, m'amener dans ce sport. Mhm. C'est que je me bagarrais à l'école. Oh non, personne me tapait. Hein, ah oui, tu tapais tout le monde. <laughs> je tapais il fallait tout le monde. canaliser. Il fallait me <laughs> canaliser. Il fallait vraiment trouver quelque chose pour canaliser toute cette violence. Et la voie du, taekwondo, c'était vraiment ce qu'on avait trouvé, vu que mon, mon frère en fait déjà. Et euh, moi, une fois que je suis rentrée dedans, j'ai trouvé ma voie et euh, j'ai fait plein de compétitions euh, au Niger, au niveau africain, au niveau européen. J'ai participé trois fois aux championnats du monde et j'ai même été présélectionnée troisième aux Jeux Olympiques pour, pour les Jeux d'Athènes en 2004. Ah Mais malheureusement, c'était les deux premières qui sont parties et moi, j'ai fait troisième. Justement, Anna Rouen, un collègue tu es tellement douce, même quand tu parles. On n'a pas l'impression que tu peux taper quelqu'un, mais oui, ça, tu peux. C'est la force tranquille du taekwondo qui est vraiment la maîtrise de soi, le, vraiment le contrôle, le self-control, comme on dit. C'est ça qui enseigne les arts martiaux. C'est vraiment de pouvoir canaliser toute cette violence ou cette agressivité qu'on a tendance à avoir entre, euh, en nous et euh, ce sport-là, ça permet de canaliser et de, pouvoir le diriger autrement, euh, par exemple, en les, l'agressivité. Exactement, voilà. exactement. À ah, la Fada, c'est aussi de la musique. On écoute Waka Waka de Shakira et on se retrouve juste après. Africa. Jungle. Parce que quand je a du poids genre le poids là. Elle soulève <laughs> ce qu'on peut pas soulever. Voilà. <clears throat> Hamza qui fait du taekwondo. Hamza, faut pas vraiment, faut pas l'attaquer. <laughs> voilà. Nous avons Mariama Mamoudi. Elle, c'est la Miss Athlétisme. Donc, nous sommes au stade général et comme je l'ai dit tout à l'heure. Juste en face de nous, il y a 15 pays de la CDAO qui s'affrontent et on attend les médailles du Niger. Nous rappelons aux auditeurs de nos 38 radios partenaires dans toutes les régions du pays de nous envoyer leurs questions. Ils peuvent également recevoir tous nos contenus en s'abonnant à notre fil WhatsApp en envoyant jeune au 80 06 88 54. Nous masu shuraren 80 06 88 54 les entraînements, les compétitions, c'est beaucoup de boulot. Yawa, yawa, kamar an da nake cewa muku ɗazu, ina so in san ina ne kuke samun nan ƙarhin, ƙarhin da wannan kuzarin. Kamar entraînement ne kuke yi koko dai daman cikin yara ko irin wannan yara masu ƙarhi ne. Ça vient d'où toute cette force là, cette énergie là, ça vient d'où? Bon, la première des choses, la première des choses, euh, c'est le euh, talent. Il faut avoir le talent d'abord. Et après ça, il faut, après les talents, il faut les travailler, il faut l'entraînement. Le sport n'a pas de secret. Le seul secret du sport, c'est l'entraînement. Quand tu t'entraînes, le corps humain n'a pas de limite. Quand tu continues à travailler le corps, ça, toujours ça va avancer. Donc le secret, c'est l'entraînement. Quelqu'un qui est entraîné quelqu'un qui n'est pas entraîné, ce n'est pas la même chose. Voilà, c'est ça. Tu deviens invincible. tu bosses tout, le temps, tout, le temps, tout le temps, Il faut toujours continuer de travailler, continuer les entraînements. Voilà. Et puis, il <clears throat> l'encadrement technique à chaque compétition encore. Ils vont essayer de revoir leur programme pour encore avancer ouais, pour te voilà. perfectionner ouais, tout ça, ça voilà ke ga mana ina ne ki samu wannan karhin gaskiya tun da daga karahunan nan da kike yi ina ne karhin ke hito miki balki sa abin da yasa ina abin ga internama nan kullum in kin tashi da kwana in dai har kahi kina ki abin ki ma kina yi internama kullum da sahi mm. kun ko da mareke zaki yi internama kullum in nan ai bai zaki iya rago ba amma kullum kina ki kina zamna hakan ga baki da karhin komi amma kullum da sahe kina yantar na ma ko baki da sahe ne in kin yi yau gobe baki duka suna zuwa tare haka na amma in kin zamana ke kina ta yi yantar na ma ba su yi haka na dole ne sai mutum ya samu karhin zuwan nan hmm. haka nan ne Mais qui, toi, j'ai compris déjà que à la maternelle, déjà, tu voulais taper tout le monde, quoi. Déjà, toi, pour toi, ça a commencé toi, hein <laughs> ça a commencé très tôt, oui, c'était à la maternelle. Mais euh, comme elles l'ont, souligné mes deux, euh, mes deux collègues, c'est vraiment la rigueur, la rigueur, les entraînements. C'est ça qui forge le caractère, en fait, pour vraiment devenir quelqu'un de, euh, de sérieux, de, pour atteindre ses objectifs. Il faut s'entraîner, comme elles l'ont dit, matin, midi, soir. Parce qu'il n'y a pas de miracle. Hein. Il ne faut, pas, il faut pas se leurrer. le sport, c'est pas comme si, voilà, je, je me dis, je, je veux devenir sportif de haut niveau, mais je vais rester, je vais m'entraîner ou je suis fainéante. Non, ça vient pas comme ça. Il faut s'entraîner quasiment tout le temps. Il faut mettre de la rigueur. Il faut vraiment, euh, il faut être respectueux envers les, euh, coachs, les entraîneurs, les coachs, parce que c'est ces gens-là qui vous donnent la, la voie pour réussir. Si jamais on les respecte pas, comment eux ils vont pouvoir nous donner les bonnes, les bonnes les bonnes façons, la bonne, manière de, mmh. faire les choses. De pouvoir faire les choses. C'est vraiment la rigueur, le respect, ah, le respect d'autrui. C'est ça qui permet que demain, en fait, on devient de plus en plus. Euh, ouais, la concentration sur les objectifs. quand championne, voilà. sur les Exactement. objectifs. Non, abun ba ma shi bane aiki ne aiki ne dewa dare da rana <laughs> <laughs> ana in mutu yake yana zaune ai bai yi wa mm. dare da rana ana aiki a tuka to yanzu muna so mu sani <laughs> kamar ya ne kuke organize ya ne kuke organize

tu es obligé de les abandonner. C'est pas, tu ne vas pas te comporter comme quelqu'un qui ne fait pas de sport. Parce qu'il faut, il faut te planifier, il faut t'organiser. Tu veux parce que l'entraînement, on ne doit, pas chômer l'entraînement. On ne chante pas l'entraînement. Par exemple, quelqu'un qui s'entraîne matin, midi, soir, il n'aura pas le temps, par exemple, <laughs> d'aller dans tous les baptêmes. <laughs> voilà. Voilà. Ou bien devenir, devenir s'asseoir, faire des fadas inutiles. Tu vois, voilà. Tu peux plus le faire tu es obligé, de t'organiser, d'abandonner certaines choses, de te concentrer sur tes entraînements, de faire tout pour ne pas chômer, de, ne pas tricher les, programmes de poste, parce qu'il y a ça aussi. <laughs> parce que souvent, ça fait mal. Hein. Il faut, oui c'est ça il, faut, il faut faire attention à tout parce que un régime bien spécifique quand on veut vraiment être euh, euh, une athlète de haut niveau il y a des programmes bien spécifiques qu'il faut euh, qu'il faut respecter c'est-à-dire dormir tôt donc avoir ces 8 heures voire les 12 heures de sommeil en fonction du régime que vous vous faites si vous vous entraînez le ah, matin midi soir il faut avoir minimum 12 heures de sommeil pas d'alcool, pas de fumée, pas de euh, pas de drogue, pas rien du tout. Même certaines nourritures, il faut pas les manger si vous voulez bien courir, si vous voulez bien lever les poids, mm-hmm. si vous voulez bien lever la jambe. Dans mon cas, il faut il y a des choses qu'il faut pas qu'il faut pas manger kaɗan ne kuma ko abinci ma sai ke yi lissahi abin kin zaki ke saboda yan mm. tarnama yan nan amma duk abin kin ka samu sai ki ci ke ki yan tarnama wallahi mm. kwana da yaka <laughs> kwana da yaka <laughs> to yanzu ku da mata vous les filles bon il y a une différence il y a un truc qui change quand tu es une fille et que tu veux être vraiment top quoi comment ça se passe quand tu es une fille c'est comme chez les garçons ou il y a une différence <laughs> Euh, je vous laisse répondre. <laughs> oui, dis-nous. <laughs> Dis-nous quand t'es une fille c'est plus compliqué ou c'est... Hmm, bon, c'est, bon je peux dire que c'est pas compliqué. Puis je peux dire encore c'est compliqué parce que dans certains pays, c'est un peu compliqué quand tu fais du sport. A, en fait, tu n'es pas la bienvenue partout. quoi. Est-ce que tu vois Parce qu'il y a des gens qui disent que les filles, quand ils font du sport, ils deviennent des garçons. Voilà, voilà. Tu vois, tout ça, là, ce sont des problèmes de, société dans certains pays. Hein, dans certains pays. Et surtout au Niger, quand on voit des filles qui portent des pantalons partout. <laughs> Bon, parfois, il y a des parents qui n'aiment pas ça. Mais parfois, il y a des parents qui ça. Parfois, il y a des parents, ils n'aiment pas ça. Juste, ils n'ont pas le choix parce que l'enfant aime. Voilà. Voilà. Encourageant, ce qui, ce qui, est voilà, ce qui, ça. vraiment. on peut se poser un problème. Voilà, c'est ça. Mais il y a des mm. gens qui n'aiment pas ça. Bon, surtout au Niger, là, oui. mais maintenant, genre, quand t'es, es athlète comme ça, là, tu peux pas te maquiller, les manicures, mm. les pédicures, ça pose pas de problème, mm. tout ça. Non, non, non, ça, c'est ça. C'est juste les gens qui disent. Hein. Même les athlètes s'y maquillent. Peut-être si tu as la chance de regarder les Diamond League ou bien les champions du monde, si tu vois les, les Jamaïcaines, les Américaines, avant la course, là, ils vont se maquiller, ils vont se coiffer, tu vois. Oui. Donc, Bon, d'ailleurs, même maintenant, avec l'évolution de, la science, les entraînements maintenant, tu vas voir, les athlètes ils sont pas tellement musclés comme avant. Oui, oui. Comme les, les, maintenant, la science a évolué, ont comment faire, comment entraîner les Pour athlètes. éviter kenan voilà. kenan wannan gudu da wannan dauke dauken da bige bige. <laughs> Kenan bige bige kenan bai hana ka kai kulliyarka, kai tsaf kai tsaftarka na ƴan mata an kake so. Dans nous la problématique, on peut pas avoir des ongles. Comme on a des contacts avec les euh, les autres, donc on peut pas avoir des ongles ni mm. des pieds ni des euh, ni des mains pour éviter justement de blesser l'autre. Donc le maquillage vous pouvez mais c'est pas c'est pas si nécessaire mais ça n'empêche pas de rester féminine euh, <laughs> Après les entraînements, c'est bien spécifique en fait euh, le taekwondo. n'est pas forcément le fait d'être musclé chez nous, mhm. parce que moi je me rappelle quand je suis partie à Paris en 2003 enfin, quand j'avais eu ma bourse olympique, quand je suis partie là-bas, euh, on prenait pour une danseuse. Comme je n'étais pas musclée, j'étais pas, j'étais si frêle, euh, je dis je suis sahélienne, je viens du Niger, donc c'est normal que je sois un comme ça. Et euh, en fait, on n'est on n'est pas musclé chez nous, en tout cas. pas forcément. Pas forcément dans le, dans le taekwondo, ça déforme pas. Mais comme elle le soulignait, le, regard de la société envers les filles athlètes, les filles sportives de haut niveau ou autres <coughs> qui font un sport de combat ou un sport euh, de course ou le foot, sont très, c'est encore très mal vu. au regard de la société. Il faut vraiment beaucoup de courage, il faut beaucoup d'encouragement de, d'encouragement de, la part de la famille. On se retrouve juste après l'hymne de la Cannes U20 qui s'est tenue à Niamey en février dernier. C'était l'hymne de la canne U20 réalisé par des artistes nigériens. On est toujours à la FADA, nous sommes au stade général Sénikonche de Niamey où se tiennent les compétitions d'athlétisme de la CDAO avec euh, nos invités Mariama Mamoudi, Miss Athlétisme, Balkissa Mamadou, athlète également. Ça ne rigole pas aujourd'hui, hein, Hamza Miss Taekwondo en face de nous, nous avons des athlètes là. Donc ils se préparent, je sais pas, c'est voilà, départ 1500 hommes. Voilà, 1500 mètres Super. Vraiment, il n'y a pas mieux comme cadre pour parler du sport. Quoi. Je vous dis, tout de suite, c'est un truc costaud qui va se passer là, juste en face de nous. On a encore une autre euh, question d'un auditeur. On l'écoute. Bon, la question maintenant, c'est de savoir est-ce que eux, ils ont, elles sont en train de réserver leur avenir, c'est-à-dire quoi Leurs études, leurs préoccupations familiales et autres. Parce que ça ne sert à rien d'aller courir, courir et revenir à la maison les mêmes vides. Leurs objectifs, c'est pas courir seulement parce que ça, ça, reste encore. Après, le sport maintenant, quand tu seras vieux, tu ne peux rien faire. Mais est-ce que tu as un issue de secours ji mai shuraren mu abin da yake nan ga tambaya yanzu kun je kasashe kasashe shekara da shekaru kuna gudu yace yana so ya san in kuna nan ga turowa da bayan in kun kare wannan sport kin kun wannan sport kin da wannan sport kin euh, za kuma toute votre vie kuna e kuma kun kuna kun sport Vous avez des plans après le sport Mariama, dis-moi, tu as un plan après le sport Bien sûr, j'ai des projets après le sport parce que euh, depuis que j'ai, quand j'ai commencé le sport, je faisais les études de sport. Ça fait un moment en 2015 quand j'avais la bourse olympique pour préparer les Jeux olympiques de Rio. Donc la bourse, normalement, je devrais me rendre en France pour les entraînements. J'étais en deuxième année, en pleine année à l'INGS. Donc on m'a dit, je devrais partir en France. J'ai posé la question, et les études On m'a dit, non, tu vas aller en France, tu vas faire euh, début 2015 jusqu'en 2016. D'aller en France, délaisser les études je dis, ah, moi vraiment, si c'est pour abandonner les études, pour aller faire les entraînements, moi vraiment, je ne vais pas partir en France. si le ministère ou bien le comité, le comité olympique peut revoir comment ils vont faire. Vraiment, moi, je ne peux pas abandonner les études parce que les sport, tôt ou tard, on va, parce qu'à 40 ans, 45 ans, on ne peut pas pratiquer le sport. Donc, on va revenir au pays, on va travailler. Et pour travailler, il faut avoir une spécialité. Oui, faut te spécialiser karatun eh dan ka mata donc j'ai fait l'INGS je suis euh, professeur d'EPS super voilà ah là-bas ah. aussi au centre il y a des <laughs> il y a des formations hmm. qu'on fait là-bas par exemple cette année j'ai fait la formation des formations la formation de fabrication des produits cosmétiques et on a fait maintien maintien et maintien comment dire là l'informatique ah oui c'est les centres <laughs> bah, non c'est ah, Ça fait hein. ça fait partie des bourses ça fait partie des bourses des des sports Super. Ça fait partie des bourses. Il y a beaucoup de choses qui sont dans les bourses. Quand tu gagnes la bourse, donc il y a la formation aussi. Hmm. Avant, même, avant même de venir, on va demander tu fais quoi, tu as quel niveau. Il y a, on, a même, on a une fille malienne là-bas, elle, elle n'a pas été à l'école. Mais on l'a cherchée là où elle va faire apprentissage de coiffure. Oui, de, euh, donc, donc elle est devenue... Voilà. Ah, donc, oh, elle a un diplôme en coiffure. Voilà. Elle, elle, elle, elle, est en formation. Elle est en formation. Elle est en formation. Toi et toi, je peux te voir. <laughs> Voilà. super alors, super. Ina ya gani kina son sabli ko mai contrary wannan makin koya. Voilà. Voilà. Kenan ke kawai yanzu ko a ce yau kin tsere gudu. Kina da abin da zaki. Voilà, j'ai beaucoup j'ai beaucoup de projets en ce moment, j'ai beaucoup parce que j'ai encore du temps devant moi, tu vois. Donc euh... Voilà. ke kuma balkisa akwai abin da ke so ki bayan wannan gudun da kike yi ni ko ba sport ba ina yi aiki hmm. tunda ni kutiriyar ne awai ina yi kutir ina yi savon ina yi turare ina yi tu da savon na gomage hmm. ikul aigiti ah duka ina yi ina yi dumci kuma hmm. ina yi dumci kuma ina yi savon likid turare na ruwa nuka ina yi su to dara ma ina dubke su na broderi da na hannu dumkin hannu duka kina yi duka ina yi su ashe ashe barki ba abun wasa mane abun naki <laughs> gaskiya yara gare da ina koya musu dumke mm. na hannu kutir atelier gare ne ina yi dumke on revient à toi Hamsa Hamsa muna so mu sani ke deja tu es comptable Bon, moi, euh, donc comme vous l'avez dit, euh, je fais partie des gens qui ont la bourse olympique pour aller en Europe, en l'occurrence en France. Et euh, dans cette bourse olympique, il n'y a pas de formation. C'est juste, vous allez, vous faites les entraînements, et euh, c'est tout. Euh, moi, j'ai pas eu cette intelligence de pouvoir refuser pour euh, continuer à Niamey parce que je me suis dit, euh, ça peut être une, prétention de ma part de ne pas accepter quelque chose qui nous est offert. Et donc, une fois que j'ai fini les entraînements dans le centre de l'INSEP, donc à Paris, je me suis inscrite. je suis partie déjà de Niamey en étant au, lycée. Donc, je, je, me suis inscrite en une formation de comptabilité j'ai fait mon bac là-bas, j'ai passé mon BTS comptabilité et gestion, puis j'ai passé une licence de comptabilité et gestion également dans la même foulée. Pour ne pas justement, quand on a fini sa carrière de sportif de haut niveau, que faire après il faut préparer l'après parce que le sport c'est bien. Après, quand on a un diplôme, c'est encore mieux parce qu'on aura une activité. Moi aujourd'hui, si j'avais pas anticipé tout ça, euh, je serais euh, peut-être euh, en train de faire des petits, voilà, en train de faire des petits boulots. Mais là, j'ai un travail qui me qui me plaît énormément. Merci à vous, Miss. Nous sommes encore sur Tous à la Fada. On se retrouve juste après avec nos Miss Sport, juste après la chronique d'Olivier. Olivier, on attend impatiemment ta chronique là. Bonsoir, Ravi, comment vas-tu Ça va, je vais bien, merci. Super. Amsa, euh, au début de l'émission, tu disais que tu as un neveu de 3 ans qui a déjà commencé. C'est quoi son nom Ismaël. Wow. Salut Ismaël, si tu nous écoutes en ce moment, bonsoir à tous, fidèles auditeurs de nos radios partenaires. Nous sommes dans Tous à la Fada, le seul Fada qui fait 35 minutes. L'aventure continue sur les ondes des radios partenaires du studio Kalangu. Ce soir, nos amis de Maradi en général et ceux de Dakoro en particulier. Écoutez, j'ai un coup de cœur pour vous. Alors Olivier, ce coup de cœur, c'est pour les résidents de Maradi ou les ressortissants de la région C'est pour les deux en fait. Si vous êtes de Maradi ou bien vous êtes à Maradi. J'ai une pensée spéciale pour le district sanitaire de Dakoro qui manque de radiologues alors que le besoin se fait sentir de plus en plus. On écoute Dr Inoussa Ganda à ce sujet. Ça fait à peu près un an. Effectivement, nous référons les cas de fracture autre là. La radio, il faut un manipulateur, un spécialiste en radio. Moi, j'ai dit, même s'il y a quelqu'un du terroriste, sont un peu mini, Sincèrement, c'est un problème qu'il faut résoudre. Et le directeur régional de la santé m'a promis, mais jusqu'à présent, il n'y a pas de gens qui sont venus. On est toujours de l'attente. Mais quand même, l'appareil marche très bien, il n'a aucun problème, mais seulement c'est le manipulateur qui manque. Nous lançons un cri d'alarme si vraiment dans les terroirs, des radiologues qui peuvent venir nous aider. Parce que je sais que Dakoro est grand, nous avons beaucoup de têtes, donc s'ils peuvent venir nous aider. Olivier Cap à présent dans le monde de la connaissance et du savoir. Il y a quelques jours, la première cité de l'innovation a été créée dans la localité de Sadoré, c'est ça Oui, au départ, euh, il n'y avait pas beaucoup d'informations à notre connaissance et nous avions cherché à savoir beaucoup plus. Nous avons découvert que ce sont des laboratoires d'accélération des objectifs de développement durable. Oh là là, Olivier, en termes plus simples. <laughs> voilà. Euh, bon, je veux juste dire que c'est un centre où des jeunes pourront réfléchir sur des mesures de culture, d'élevage et bien d'autres secteurs Et dans le domaine du numérique, Olivier, tu as un bon plan pour les associations, surtout ceux de l'intérieur du pays Bien sûr que oui. Vous êtes euh, responsable d'une association, vous désirez avoir une identité numérique, et eh bien oui, un site web dénommé Web ASOC accompagne gratuitement les associations dans plusieurs domaines. Pour plus d'infos, visitez le site, euh, tenez-vous bien, www.webasoc avec Et du coup, il suffit juste euh, de se connecter, vous verrez toutes les formalités. C'est gratuit. Ok. Et côté emploi, quelles sont les opportunités disponibles Alors, dans la région d'Ottawa, le cabinet COSEF recherche deux chauffeurs pour servir au niveau de la région. Dans la localité de Zender, précisément de Magaria, l'ONG Médecins sans frontières recrute un technicien de laboratoire. Toujours à Magaria, l'ONG Assistance au développement communautaire ADC recrute cette fois-ci un Youth Officer pour la mise en œuvre du volet entrepreneuriat des jeunes. Il sera chargé de définir, construire et piloter la politique de développement des compétences en lien avec la stratégie globale du projet. Ne ratez surtout pas les autres sites euh, d'offres d'emploi et faites régulièrement le tour des antennes de l'Agence de la promotion de l'emploi. Merci à tous nos amis qui nous reçoivent. Et oui, si vous désirez connaître quelque chose sur les dernières sorties web, n'hésitez pas de nous envoyer des messages sur le 80 06 88 54. Où que vous soyez, restez sage bon week-end. Merci Olivier. Donc, euh, retour avec nos Miss Sport, nos athlètes de haut niveau, nos taekwondo. Comment ça se dit là Taekwondo. de haut niveau et euh, le poids, le javelot, la Miss Javelot, Miss Poids. <laughs> voilà. Donc. Voilà, lancer le disque aussi, j'ai failli l'oublier. <laughs> voilà, donc avec nos miss, aujourd'hui nous avons discuté de leur passion. Et vraiment, ce qui ressort de cette discussion, c'est qu'elles sont super passionnées, super motivées. Donc euh, vraiment, on vous encourage. Et euh, la famille, la famille, le soutien de la famille, l'appui de la société, l'entourage, ça compte. Et c'est ça qui vous a beaucoup aidé, ça vous a aidé à aller loin et euh, vous avez représenté le Niger. Donc ça, c'est grâce euh, quand même à la qualité de, l'entraînement que vous avez eu ici. Donc c'est pas mal de potentiel qu'on a, qu'on a ici, qu'il faudra appuyer, qu'il faudra développer, superviser, encourager. On dit merci à nos Miss euh, Sport d'avoir répondu présente pour toute cette discussion riche riche en couleurs, riche en motivation. Aujourd'hui, vraiment, je vous dis qu'on a gagné des muscles. Hein. <laughs> vraiment, on a gagné des muscles dans cette émission. N'oubliez pas de nous envoyer vos questions. Vous pouvez également recevoir tous nos contenus en vous abonnant à notre fil WhatsApp en envoyant jeune au 80 06 88 54. gobe Dondi tare da shi da su zai su magana bisa matsalolin da suke samu cikin wannan aikin nasu da irin abubuwan da suke iya donc n'oubliez pas de nous envoyer vos questions vous pouvez également recevoir tous nos contenus en vous abonnant à notre fil WhatsApp en envoyant jeune au 80 06 88 54 kada masu shuraren mu cikin duka jihohin Nijar da suke samun shirye-shiryen mu suna iya aiko mana tambayoyinsu kuma su samu duka wannan shirye-shiryen in suka aiko mana John a lambar mu ta WhatsApp ita ce 80 06 88 54 Aminiya ta kullum Rabi mai Kano sai mun haɗu.